Omar Breakboy, fais ton entrée avec tes faits et gestes. Il n'y a pas de place pour faire les autres pas. <laughs> Alors, tu viens de dire quoi là euh, Qu'est-ce que tu C'était quoi l'expression C'est juste une façon de me présenter en quelques part de danse. Tout simplement. Mhm. D'accord, c'est de l'expression la danse. Omar Breakboy, parle-moi de toi. Qui est ce garçon eh bien, je sais que beaucoup de jeunes Nigérians, ils te kiffent déjà, ils ont l'habitude de te voir euh, euh, sur les réseaux sociaux et un peu partout. Parle-moi de toi, Omar Breakboy. Qui est Omar Breakboy Ok. Déjà, mon nom, c'est Abdou Maman Oumarou. Abdou Maman Oumarou. À l'état civil. À l'état civil. Super. Tu es né en quelle année 1996. 1996. Tu es artiste danseur. Artiste danseur. Commençons par parler de la danse et de tes débuts dans la danse. Voilà. Moi, j'ai commencé déjà à danser en 2008. Tu as commencé à danser en 2008. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené euh, euh, dans la danse Au début, c'était juste pour le plaisir. Ok. J'ai dansé dans les fadas. Ok. Et tout d'un coup, un groupe m'a vu. Mhm. Il m'a proposé de venir euh, danser dans leur groupe. Mhm. Le groupe s'appelait Scarface. Le groupe n'existait plus maintenant, mhm. mais moi, je suis toujours là. Donc, après, euh, on a continué à travailler avec eux jusqu'en 2013 et après, j'ai eu pas mal de groupes dans lesquels euh, je dansais. Tout simplement. Mhm. Mais tu as commencé à danser en 2008 ou depuis que tu étais enfant, tu dansais aussi ou bien ça a été venu comme ça, ben mais là. Euh. Je voyais ça seulement dans les vidéos et après je me suis dit, ah, j'adore ce genre de mouvement. Donc, euh, et, tu t'es forgé dans la exactement, En 2000 tu as commencé par Scarface. Scarface, Et comment est-ce que la danse s'est révélée en toi Bon, en fait, moi, ce qui m'a motivé même à choisir la danse, c'est un voyage qu'on avait effectué en France en 2013. 2013. Le jeu de la francophonie. Jeu de la francophonie. Exactement. Donc, le jour où on est parti faire notre prestation, c'est vrai, on n'a pas gagné. Mais je me suis dit, ah, pourquoi on n'est pas faire cela Il y a des filles même qui dansent et qui sont vraiment bonnes dedans. Et que nous, chez nous, il n'y a pas ce genre de niveau. Mhm. Si j'arrive à avoir ce genre de niveau, c'est sûr que les portes vont s'ouvrir. Donc c'est ça, c'est depuis le 2013, je me suis dit, ah, moi, la danse, c'est... Tu es parti, je suis pour parti, bon, et tu feras de ça un métier. Un métier, voilà. D'accord. 2008, aujourd'hui. Parlons un tout petit peu de comment est-ce que tu as évolué, de comment est-ce que tu vois la, vélo de la danse ici au Niger. Est-ce que tu penses que ça va, ça va aller demain ou pas Ou est-ce que tu t'es retrouvé à travers euh, tes faits et gestes Déjà, moi, j'ai compris que moi seul, en tant que danseur, je ne vais pas aller loin. Ok. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver moyen d'amener la jeunesse à être aussi euh, choisir la danse ou bien de le faire pour le plaisir. En tout cas, de trouver moyen pour que les jeunes s'intéressent à la danse. Tout à fait. Exactement. On va parler donc un peu de ton parcours, le parcours en question du combattant sur cette émission de 2008 à aujourd'hui, euh, les groupes euh, par lesquels tu es passé, ça c'est en tes carrières solo et tout ce qui va avec. Alors parlons un peu d'abord de Scarface. Vous étiez combien déjà au début On était 8. 8 au début. Mhm. Et à fin de compte, vous vous êtes séparés ou qu'est-ce qui s'est passé oh, Bon, ça je ne vais pas trop parler sur ce qui nous a séparés. Mais quand même, on n'a pas pu continuer. C'est des gars qui vous ont séparés. Ah, c'est de <laughs> ok, d'accord. Il y a pas bon, Dislocation du groupe. Voilà. Et après, tu on a repris avec euh, B-Boys. Ok. Et après B-Boys, euh, on a fait Wangari. Ok. B-Boys, ah. aussi euh, une autre formation. Une autre formation, oui, aussi, au Niger. aussi au Niger. Ok, d'accord. Et après ça, on a fait aussi Wangari. Wangari. Wangari, ça, on répétait au CSFN. Ça, c'était plus les spectacles de danse. Ok. Et à part cela, même, j'ai eu à faire plusieurs formations de la danse contemporaine. Ok. Et à travers ça, j'ai eu beaucoup d'expérience à travers ces formations. Et ça m'a permis aussi d'avoir une autre à part le breakdance que je faisais déjà. D'accord, donc tu fais du breakdance. dance. c'est quoi le breakdance Le breakdance, c'est les pas qu'on fait au sol, ok, dans l'air, dans l'air, les acrobaties. Il y a beaucoup de pas aussi. Et c'est quoi la danse contemporaine La danse contemporaine, c'est plus expressif. Ok. C'est-à-dire tu prends un thème, tu prends quelque chose qui, que tu as envie d'exprimer en uh-huh. danse uh-huh. et tu le fais sans parler. Ah, super. Nous sommes pratiquement à la fin de cette première partie, consacrée donc à l'artiste en question parce qu'il faut te cerner en 5 minutes. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que la danse a de l'avenir au Niger Soyons francs. D'accord. Est-ce que tu te retrouves toi dans la danse Est-ce que tu as <laughs> dans la danse Pour être franc, non. Ok. Mais moi, je me suis imposé. Ok. Déjà, la danse ici au Niger, c'est mal vu par la société. Et moi, j'ai eu beaucoup de temps à m'exercer déjà de mon niveau. Et après, à la maison aussi, la famille, c'était pas facile au début, ils m'ont pas laissé faire. Mais je me suis imposé. Je me suis dit, je les ai fait croire que moi, c'est ça que je veux faire. Donc c'est ça qui les a aussi convaincus. Et après, ils m'ont laissé danser. Donc du coup, c'est c'est pas aussi facile pour d'autres jeunes. Moi, le message que j'ai à donner, c'est adressé aux jeunes nigériens qui ont envie de persévérer dans la danse, la culture ou le sport, c'est de ne pas laisser, de le faire quand même, malgré la situation. Et aujourd'hui, la meilleure façon d'évoluer ici au Niger en tant que jeune, malgré la situation du Niger, c'est la culture et le sport. De l'aide, vous en avez besoin ou pas oui, on a besoin de l'aide. Ok, d'accord. Alors, ils ont besoin d'aide. Soutenez nos artistes pour qu'ils puissent faire rayonner, comme on dit, ainsi parle yes. Omar B-Boy. Nous sommes donc euh, à la fin de cette première partie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquent. C'est que la donne qui va changer. Et